en même temps présidente des femmes de la paire dans le département. Quel est le sentiment qui vous arrive après avoir été choisie comme Bon, je suis très heureuse. C'est à la fois une fierté et, tout, parce que être choisie marraine de cette grande fête, une fête de la jeunesse de Guédiouaï, cette fête qui regroupe toute la crème euh, sportive de Guédiouaï, euh, particulièrement la zone 1 de l'EDECAP du département. C'est une fierté d'être la marraine de cette belle finale. Donc euh, je remercie l'ODCAV, la zone 1 de Guédiouaï, qui a bien voulu faire de moi la marraine de cette finale. bientôt. Vous savez que le stade, euh, on a fini déjà les travaux. Il ne reste qu'une date pour faire euh, l'inauguration et je pense que ça va se faire incessamment parce qu'on est dans une période d'inauguration. Ça, vous le savez mieux que moi. Donc, c'est dans ce cadre que je lance un appel à la jeunesse de Guédiawaye de protéger, d'entretenir ces joyaux-là que le président Macky Sall a bien voulu mettre à la disposition de la jeunesse. Je vous remercie. Euh, asalaamaaleykum maa ngi kontaan bu baax tey en tant que marraine final bi nga xamante ni waa zone 1 ñoo jël euh, sama modeste personne jox ko ko muy nekk euh, marraine maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di féliciter équipe yi nga xamante ni tey ñoo finaalu muy Mengo ak éco ñaari équipe yëpp Golf Sud nañ dëkk sama commune donc tey fierte la doublement bu ma àndal maa ngi kontaan bu baax di lancer on fait euh, un appel au fair play parce que lu def lu dul euh, defo dara kon nañu def jàmm euh, protéger li nga xamanteni mom le président Macky Sall jël def ko à la disposition de la jeunesse de Guédiawaye muy stade bi ak stade Ndiarème bi nga xamanteni très bientôt inshallah allah dinañ ko inaugurer voilà jërëjëf merci.